Il est l'heure. On tourne la page pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous ala fitna rodna wattay ko kayesi barkaji modon e, e wonjagol golitane jama'a barkamu da sabuwar shekara Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024 vient d'être 11h à Niamey et partout au Niger. Bonjour chers auditeurs du studio Kalangou. Bienvenue dans votre émission de la mi-journée Le Niger sur Kalangou. Pour vous servir aujourd'hui, je suis Rukaito Draman avec moi Samira Rouafi. L'édition est assurée par Adama Dawati et la technique par Amina Hassan. Bonjour Samira, comment tu vas Je vais très bien Rukaya, j'espère que toi aussi. Ça va comme sur des roulettes. Le programme d'aujourd'hui se déroulera comme suit. D'abord le flash d'information, de la bonne musique 100% nigérienne, sans, oublier le sport, la rubrique hebdomadaire aussi. Nous aurons également la rubrique Loti préparée par l'équipe femme du studio Kalangu, puis nous irons dans la région de Dosso, plus précisément à Dogondoti pour parler d'infrastructures. Aujourd'hui, en lieu et place de l'invité du jour, nous aurons un entretien avec le maire de la commune de Bangui, département de Madawa, région de Tawa, Ado Abdou Maïdawa sur la gestion des affaires de sa commune. Restez avec nous, fidèles auditeurs, pour ce programme riche et varié. À tout de suite. Chers auditeurs, voici le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Rokeya bonjour Samira. Le flash d'information à présent de la drogue, une importante quantité de dynamite, un téléphone Toureya et divers autres objets ont été saisis dans la nuit du mardi par les éléments de la garde nationale de Kirozirina. C'est suite à l'interpellation de trois individus en moto au niveau du Kori Gigib à environ 20 km au nord de la ville. Les personnes appréhendées sont actuellement détenues à la police départementale, à confié le commandant de la garde départementale à notre correspondant à Nice, Karim. Une caravane de sensibilisation, de formation des chefs coutumiers sillonne les différentes régions du pays. Elle est arrivée hier à Maradi avec pour objectif de renforcer la capacité des chefs de la mobilisation et l'engagement civique et d'inciter les Nigériens à poser des actions dans la construction de l'économie du Niger du avec la Cannes Côte d'Ivoire 2023. Hier, la République démocratique du Congo et la Zambie ont fait match nul, un but partout. Les Zambiens avaient ouvert le score avant que les Congolais n'égalisent dans la foulée. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuivra jusqu'au 11 février prochain en Côte d'Ivoire. Pour plus de détails, ne manquez surtout pas la rubrique sportive euh, tout à l'heure avec Adam Sariou. Et c'est tout pour le flash d'information de ce jeudi 18 janvier 2024. Merci Mokhtar. Chers auditeurs, nous allons écouter la première partie de notre entretien avec le maire de la commune rurale de Bangui, M. Abdou euh, Maïdawa. Euh, qui présente euh, sa commune et comment il la gère. Il était euh, au micro de Asuman Aboubakar. Mais bien avant, nous allons souffler en musique avec cette première, ce, premier titre que l'on vous propose, c'est Gabday de Eric Poncho. En effet, dans les années 2000, dès qu'on parle d'orchestre à Niamey, le nom d'Eric Poncho est cité forcément. Et le groupe d'Eric Poncho a enregistré plusieurs titres à la télévision nationale avant l'avènement des clips vidéo. On vous laisse apprécier. Thank you. koy ka mate dari ka pancho ya dai no gabdi hanne gun manni ye dari ka pancho ya wai wura shane kal dai ka mate dari ka pancho ya dai dunya anna gun manna ye dari ka pancho ya gabdi zaga soro gun manna pai dari ka pancho ya wai anai chora se manga ye dari ka pancho ya wai inai ka bai kan ka mate ke ka sooro kun man na hamu erika banjo kal dai ka bade erika hey turara hanne kal dai ka bade erika banjo dunya hanna kal dai ka bade erika banjo wai erika banjo gine wai erika hey Et oui, chers auditeurs, si vous suivez bien la chanson, dans ce titre, l'artiste chante la femme tout en attirant sa propre attention à bien éviter ses pères, les malicieuses, pour ne pas un jour se retrouver sans un sou en poche. sai hakwai san kai ari ka bai jowa ka samai ka kan gaba dai ari ka bai jowa bai wi sa nai kal dai gaba ari ka bai jowa bai ka sai kal dai gaba ari ka bai jowa ka turara hak na kal dai gaba ari ka bai jowa wai ari ka manga ari ka ka Panda, Panda, Yanda, Panda, Yanda, Panda, Yanda, Yanda, Anyoti, Asingi, Anyoti, Asingi, Anyoti, Nyoti, Nyoti. ladi ka wadai gunu man ni ye eri ka bai to wuri sandara ka wadai gunu man ni ko eri ka bai to do sa ka wadai gunu man ni ye eri ka to sa man ni ka to man ni ka to wai ka to ka to di ba man ni ye ka to wai sa wura sha ne kal dai ka to bara hanna kal dai gaba dai ai ka ne hanna kal gaba dai ai ka ba cewa wai ai ka ba cewa gaba dai ai ka wai ai ka gaba dai wai ai ka hey hanna ne manna ai ai ka ba cewa dai saga soro ne manna wai ai ka wai chora manga gaba dai ai ka dai C'est ah, pas fini! Hey! lumpasa bitikana taka lumpasa bibu moyo erikanamun bibu moyo erikanamun e tarike nay mara haw karte wiza che nay dan gasi wala bon nay dan gatkar asa tani asa yanje asa tani hissa hissa hissa hissa hissa hissa hissa hissa hissa hissa hissa ah chonduko oduku chon chonduko oduku chon chonduko oduku chon chonduko duko duko duko duko duko duko duko Un morceau bien rythmé d'Eric Pancho Gabday. J'espère que vous avez bien apprécié. Vous êtes en direct sur les zones des radios partenaires du studio Kalangu et vous êtes sur l'émission Le Niger sur Kalangu. Chers auditeurs, il est l'heure d'écouter la première partie de notre entretien avec le maire de la commune de Bangui, Ado Abdou Maïdawa. Il présente sa commune et explique comment se fait sa gestion. Bonjour, monsieur le maire. Présentez-nous la commune de Bangui. La commune rurale de Bangui, c'est une commune rurale qui se trouve dans le département de Madawa, euh, dans la région de Tawa. Euh, c'est une commune qui partage une longueur de 30 km avec euh, le Nigeria du côté sud et du côté est, la commune est limitée par le département de Rumji et à l'ouest par la commune rurale de Sabangida et au nord par la commune rurale de Ourno. C'est une commune qui compte euh, environ 201 millions d'habitants pour les projections INS 2015. On a 86 villages administratifs et tribus et hameaux. C'est une commune qui est habitée effectivement par euh, les Hausa, euh, il les Peul et les Touaregs. C'est une commune qui a des potentialités d'agriculture puisqu'on on produit beaucoup de choses ici localement. Qu'en est-il aujourd'hui de la question du recouvrement des taxes euh, de voirie au niveau de la commune Ça se passe bien, quand bien même on n'a pas encore fini, avec euh, l'engagement des différents chefs euh, traditionnels hein, par rapport à cette question d'engagement pour aider la commune rurale de Bangui à percevoir la taxe municipale. Même l'année passée, les administrés de chef de canton, on a fait un recouvrement à presque 100% parce qu'on était euh, au-delà des 98%. Euh, mais très malheureusement, les autres administrés des différents groupements, le recouvrement n'atteint pas même pas 50% pour l'année passée. Est-ce que vous menez des activités de sensibilisation au niveau de la population pour qu'elle adhère et qu'elle comprenne euh, ce qu'on fait de cette taxes en tout cas, les sensibilisations, on, les a fait et on continue à les faire. Si je vais noter, même cette année, avec euh, les les faits, on a sillonné la commune pour euh, vraiment informer la population les pourquoi elle peut même payer cette taxe municipale. On a fait des trois zones. Euh, on a sillonné, on a fait un rassemblement des chefs de village avec effectivement les chefs des cantons. On a organisé ça avec les chefs de canton, On a regroupé l'ensemble des chefs des villages de Gouvertoudou pour vraiment renouveler euh, cet engagement-là, de vraiment faire en sorte que la population s'imprègne de, de comment on utilise ces fonds et le pourquoi même il le faut, si on veut que la commune travaille, il faut vraiment les, euh, les moyens. Et ces moyens-là, la taxe municipale reste vraiment au centre des, des plus grandes recettes de collectivités. Et aujourd'hui, qu'en est-il de la place de la femme euh, dans l'engagement politique ou euh, dans l'organisation de la commune en tout cas, la, femme, on peut dire qu'elle occupe euh, la place du choix hein, ici à Bangui. Parce que si on doit rappeler euh, euh, pendant l'année qui vient d'écouler, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'organisations qui n'intéressent qu'aux femmes. Et en parlant de, la gouvernance ici, la commune rurale de Bangui, comme toutes les autres communes, on a respecté les quotas des femmes élues. Sur les 25 conseillers qui composent le conseil municipal de la commune rurale de 7 sont, sont, des femmes. Donc, euh, même dans la représentation, dans les activités quotidiennes de, de la commune, quand il est question d'appeler des conseillers, ça, euh, toujours on les fait comme ça, euh, on équilibre. Quand on va essayer d'appeler un conseiller, on va également toucher une conseillère. Et comment elles sont organisées en structure, en organisation Oui, euh, ici même, au-delà même des associations, puisqu'il euh, y a des groupements, il y a des associations, et au-delà même, il y a, y a, des unions. Il y a le projet ADRA qui a, aidé la commune à mettre des unions de femmes, c'est-à-dire que c'est un groupement des associations de femmes qui, qui vient pour s'organiser pour former une union elle faisait beaucoup des activités dans ce sens. Il y a les groupements qui, qui sont là dans presque tous les grands villages de la commune. Elles s'organisent pour, pour faire des activités euh, communautaires euh, et par, par ces mêmes canaux, euh, elles sont en train de recevoir des subventions pour vraiment améliorer leur association. Eh oui, euh, de la bonne sonorité, c'est dans le Niger sur Kalangu. Avant de poursuivre cette émission, voici pour vous Sony Mossoyi du groupe Tempête du désert, un groupe essentiellement féminin. que vous écoutez en ce moment est la chanson phare du groupe composé de quatre choristes et une leader. La leader vocale du groupe se nomme Hadiza Mahamman alias Hadiza Tempête. Dans cette chanson, elle essaye de convaincre son bien-aimé de l'aimer, de la chérir au nom de l'amour et de la confiance. heures passées euh, de 18 minutes. Euh, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangu. Nous allons entamer la deuxième partie de notre entretien avec le maire de la commune de Bangui. Dans cette deuxième partie, il nous parle d'insécurité et de l'impact de la fermeture des frontières du Nigeria voisin sur l'économie de sa commune. Abdou euh, Ado Maidawa au micro de Asumana Aboubakar. Et comment vit la commune aujourd'hui avec les frontières fermées avec le Nigeria alors que la commune partage plus de 30 km avec le pays voisin, vu que nous sommes dans une zone où les sédentaires sont des commerçants, agriculteurs. Comment se passent les relations avec le Nigeria Bon, pour la relation avec euh, le Nigeria, euh, qui est vraiment notre voisin, parce que on, euh, presque toutes les activités euh, commerciales, on les faisait vraiment avec le Nigeria. Ici même à, Bangui, les devises là, c'est en Naira. Quand tu vas payer des choses, les articles sont en Naira. C'est-à-dire que c'est on est vraiment dominé ici par le Nigeria, puisque juste après le commissariat, à un kilomètre, on sera dans le territoire du Nigeria. Mais pour cette question du Nigeria, moi, je souhaitais plus euh, mieux parler de, de l'insécurité que de la situation qui est sent pas ici, puisque il faut le dire aussi que cette question de fermeture des frontières ne nous préoccupe pas trop ici. Ici, là, on peut dire que la situation n'a pas vraiment un grand impact pour vraiment bloquer les activités. Ça, je l'ai dit que les activités continuent très bien avec euh, les gens euh, du Nigeria, qu'ils étaient même plusieurs fois euh, ici pour dire que non, ne veulent pas qu'il y ait changement avec les autorités ici locales que nous sommes, de laisser vraiment la population circuler. Bon, là, on l'a accepté et ça s'est fait. On n'a pas de problème de commerce avec eux. Si on doit parler des relations, en termes de la préoccupation avec le Nigeria, c'est peut-être l'insécurité, parce que euh, l'insécurité qu'on est en train de vivre ici, c'est vraiment le Nigeria. Les attaques se font à la frontière du Niger. Et les cas même que les attaques ont eu lieu au Niger, euh, les vols comment aussitôt c'est repartent au Nigeria. Donc euh, c'est ça vraiment notre préoccupation. Parlant aussi d'insécurité, c'est quel genre d'insécurité que vous vivez ici En tout cas, ici, euh, il y a des rapts, il y a des kidnappings, il y a des vols de bétail. En tout cas, c'est ce qu'on a pu noter. Ça fait déjà, on est dans la troisième année que malheureusement jusqu'à là, ça s'est pas complètement arrêté. Quand même on a observé quelques améliorations de la situation ces derniers mois. Et comment vous faites pour gérer euh, ces genres de situation Bon, on gère euh, de plus en plus mieux. Il y a vraiment un dispositif sécuritaire qui est ici à, euh, à la frontière du Nigeria. Il y a un détachement de CMSF qui est là, il y a la patrouille départementale et il y a les postes de police frontaliers de Bangui même qui sont là. Ils ont mis un dispositif sécuritaire qui est en train vraiment de débloquer cette, cette question des infirmiers qui sont en train de venir au Niger. On sait que Bangui est traversé par un couloir de passage international. Euh, qu'en est-il par rapport à la gestion de ce couloir Bon, les couloirs des passages internationaux, vraiment là, comme dans toutes les autres communes, on rencontre souvent des, des endroits là où il y a des problèmes, parce qu'avec le temps, pour euh, manque de suivi, il y avait eu vraiment des dégradations, parce que on observe les rétrécissements de ces couloirs pour parce que les agriculteurs repoussent leurs champs pour, augmenter des surfaces. Euh, c'est un phénomène qui est là euh, et qui doit être géré. Très malheureusement, même ici dans la commune de Bangui, il y a des passages, euh, on constate vraiment ces pluies qui est là et qui continue vraiment à gâter, si on peut les dire, cette ressource. Et comment vous arrivez à gérer ce problème ce qu'on a eu à faire, nous, à notre arrivée, on freinait des tronçons pour vraiment aménager, faire les balisages, puisqu'il faut effectivement mettre des balises pour dire voilà la limite de, de ces couloirs-là. Euh, on a fait beaucoup de tronçons vraiment à notre arrivée dans, pour ces différents couloirs euh, internationaux. Une dernière question, monsieur le maire. Aujourd'hui, qui dit Bangui dans la tête des Nigériens, c'est des peuls. Qu'est-ce que vous allez dire à ces Nigériens quand vous allez venir ici à Bangui, chef-lieu, il y a des chefs de village des Hausa qui sont des administrés des chefs du groupement de Bangui. Parce que si on dit l'histoire, qui dit l'histoire, qui dit aussi la chefferie. Parce que c'est le chef-lieu de la commune qui est habité euh, par le peuple. Ça, voilà pourquoi souvent même les étrangers, quand vous allez venir ici, quand vous voyez des Hausa, et après peut-être vous allez constater qu'il y a des Pelles aussi. Mais dans les autres villages, il y a des villages qui sont 100%, la majorité des villages même, à 85%, il n'y a pas même un seul Pelle dans les villages. Merci, monsieur le maire. Merci à Soumana Boubakar pour cet entretien riche en informations. Nous allons observer une courte pause et on revient juste après pour la rubrique hebdomadaire. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec notre rubrique hebdomadaire qui porte aujourd'hui sur l'éducation numérique. Ousmane Mamoudou, responsable de l'équipe numérique du studio Kalangou, va nous édifier sur un sujet d'actualité qui a fait grand bruit il y a quelques semaines. Le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a annoncé une initiative majeure pour lutter contre les bots sur les comptes automatisés qui ont envahi sa plateforme. Bonjour Ousmane. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler un peu euh, de la virée que Twitter, euh, nouvellement X, le réseau social donc d'Elon Musk a pris. Donc euh, le réseau social X a annoncé donc le 18 octobre qu'il va expérimenter un abonnement payant obligatoire dans deux pays pour le moment qui sont les Philippines et la Nouvelle-Zélande. Donc cet abonnement baptisé Not et Bot, donc ce qui n'est pas un bot, donc de façon euh, beaucoup plus clair. Donc, c'est une initiative qui vise à lutter contre les faux comptes automatisés, plus communément appelés bots. Sur Internet, en fait, il y a des gens qui créent des faux comptes, souvent qui créent des contenus de façon automatique et les partagent de façon automatique sans qu'il y ait réel contrôle. Donc, cette initiative, selon Musk, elle va mettre fin euh, à ces, à ces bottes là Donc les nouveaux utilisateurs dans ces pays devront vérifier leur numéro de téléphone et payer un abonnement annuel de 0,75 euh, dollars aux Philippines et 0,85 dollars en Nouvelle-Zélande. Donc en francs CFA, ça va tourner entre 400 et un peu plus de 500 francs CFA l'année pour publier sur la plateforme et interagir avec d'autres internautes. Oui, c'est une approche intéressante pour contrer les bots. Mais qu'en est-il de son efficacité Alors oui, bon, côté efficacité, on n'est pas très très sûr parce que pour que cette mesure puisse créer une certaine friction pour les créateurs de comptes automatisés, elle ne va pas dissuader probablement les acteurs les plus organisés aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont très organisés, qui payent beaucoup d'argent pour euh, maintenir ces comptes-là à flot. Donc la génération de faux numéros de téléphone, c'est déjà une pratique qui est courante. Et le coût par compte frauduleux créé ne devrait pas représenter une dépense significative pour les entreprises de désinformation spécialisées. Donc, je le disais tantôt, les services de renseignement et les groupes de cyberdélinquants, ils vont pas du tout lâcher prise. Donc ces acteurs-là sont des gens habitués à investir dans des opérations de désinformation coûteuses telles que la location d'ordinateurs ou de serveurs quelque part ou même de VPN ou l'achat euh, de publicité souvent frauduleuse. Donc, euh, pour résumer, cette nouvelle règle pourrait être euh, contournée assez facilement par les acteurs déterminés. Cependant, il faut retenir que cela ne s'applique qu'à ces tests initiaux. À l'avenir, il est possible que tous les utilisateurs, quelle que soit leur ancienneté sur la plateforme, soient tenus de payer. Oui, c'est ça. Donc, pour le moment, cette mesure ne touche que les nouveaux utilisateurs qui ne souscrivent pas à l'abonnement Note et Bot. Donc, si vous êtes ancien sur Twitter pendant des années, pour le moment, vous n'êtes pas concerné. Donc, ceux qui ne payent pas pourront uniquement lire des messages, regarder des vidéos et suivre des comptes mais ils ne pourront pas interagir et donc vous n'aurez pas peut-être la possibilité de liker, de partager ou de commenter. Donc en somme, vous allez devenir des spectateurs passifs sur Twitter. Ousmane, cela semble être un compromis visant à maintenir un modèle commercial rentable pour X, car les utilisateurs payants continueront à avoir de la publicité. Oui, cette décision d'Elon Musk, évidemment, qui détient donc X, qu'il a racheté euh, euh, en avril passé, a clairement des implications commerciales importantes. Les utilisateurs gratuits verront de la publicité, tandis que ceux qui qui payent auront la possibilité d'interagir pleinement. Donc c'est un équilibre que la plateforme cherche à maintenir. Merci Ousmane pour ces précisions. C'est une initiative vraiment intéressante. Comme nous l'avons discuté, son efficacité contre les bottes reste à voir. Nous continuerons à surveiller cette situation de très près et vous informer de tout développement ultérieur. Chers auditeurs, nous vous retrouvons bientôt avec d'autres actualités passionnantes. Maintenant, c'est le tour de l'enfant de Kwara Terra. Il nous vient avec le titre Walambandi, j'ai nommé ici Maliaro de Gumbesta. Alo, alo, alo, alo, alo, kana, su yi na ba Maliago, on passe à présent à l'écho des régions. Oui, Samira, direction d'Osso, plus précisément à Dogandouchi, où ces dernières années, des infrastructures routières ont été réalisées ou réhabilitées dans le cadre de la modernisation des villes. Cependant, Ruki, le comportement de certains usagers, notamment face aux piétons, provoque des accidents avec souvent des morts d'hommes. Des précisions avec M. Hamidan Mohamed, directeur départemental des transports de Dogondouti. Il est au micro de Hassan Abdou Arzika les gens utilisent les voies n'importe comment. Donc ce qu'il faut comprendre ici pour l'utilisateur de ces voies-là, surtout les piétons, malgré que les vendeurs ambulants et les taxis motos encombrent les voies, surtout les voies euh, qui sont destinées aux piétons, il faut être très prudent. C'est la prudence qui est démise. Donc que tu sois piéton ou le chauffeur de véhicule, c'est la prudence et la vigilance qui est vraiment très importante. Monsieur le directeur des transports, quelle est la priorité du piéton face au conducteur de véhicule en ce qui concerne les piétons, il faut savoir que la priorité du piéton est le contraire de la priorité du utilisateurs de véhicule. Généralement, le véhicule chez nous, on dit c'est la priorité à droite. Mais le piéton, lui, il faut qu'il sache que c'est à gauche c'est ça qui le protège. C'est-à-dire si vous prenez la voie de gauche en allant par exemple euh, de l'ouest à l'est, donc au lieu de prendre la voie de droite, si vous prenez la voie de droite, ça veut dire que celui qui vient vers vous par derrière, c'est le main qui vous voit. Donc il y a une seule personne qui voit celle qui est devant lui. Mais si vous prenez votre gauche, vous voyez le véhicule qui vient devant vous et lui, il vous voit. Parce que vous êtes à sa droite, lui. Donc comme il vient de sa droite, vous le voyez venir et lui, il vous voit venir. Maintenant, euh, naturellement, les utilisateurs de véhicules, c'est eux qui doivent être les plus prudents possibles. Parce qu'il faut savoir une chose, que celui qui utilise un véhicule et celui qui est à pied ou celui qui est à bicyclette ou celui qui est à charrette, c'est deux choses différentes. Vous qui utilisez le véhicule, c'est vous qui devrez faire le plus attention à un piéton ou à un cycliste ou à un charretier. Parce qu'un charretier ou un piéton ne sont pas assurés. Ces gens-là, quelle que soit l'utilisation qu'ils font à la route, il faut savoir que... ils sont prioritaires. Parce qu'un piéton sur la route, c'est toi qui doit l'éviter. Et qu'en est-il de la détention du permis de conduire par le conducteur de voiture ou de moto Avoir le permis de conduire, ce n'est pas réellement ce qui doit éviter des accidents. Parce que le permis de conduire vous autorise à utiliser soit la machine, soit la voiture. Mais c'est vous qui conduisez la voiture ou la machine, tout ce qui va arriver, vous serez le responsable immédiat. Donc c'est pour ça qu'on dit dans l'accident, le premier facteur d'un accident, c'est le facteur humain. Merci Hassan Abdou Akzika pour ce reportage instructif. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons le rendez-vous de l'émission Le Niger sur Kalangou avec euh, du sport et nous sommes avec euh, Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Mira. Bonjour Adam. Bonjour Ruki. Alors, euh, voyons ensemble le sport et c'est avec la Super League que nous allons débuter cette page sport, n'est-ce pas Eh bien oui, un match avancé de la douzième journée, hier, Olympique FC a battu le Tagour de Dosso, un but à zéro au stade municipal de Niamey. Adam, quel est le programme complet de la douzième journée Aujourd'hui, au stade régional de Tawa, GST accueille le leader du championnat, S. Nigelec. Le stade général Senoukounti sera le théâtre de duel entre Zumunta et Akokana FC, tandis qu'au stade municipal, l'Union sportive de la gendarmerie nationale accueille l'Urana FC. Demain 19 janvier, AS Fan contre Espoir FC au stade général Senoukounti à 16h et au même moment le Sahel Sporting Club contre Renaissance au stade municipal. Et pour finir, le samedi 20 janvier, l'UBERTFC FC reçoit l'association sportive de la garde nationale au stade municipal de Niamey à 16h. Ah, Adam, parlons à présent de la Cannes. Où en sommes-nous Eh bien, hier, de rencontres ont eu lieu pour la clôture de la première journée. Dans le premier match, le Maroc s'est imposé sur une large victoire, 3 buts à 0 face à la Tanzanie et la, et la, République démocratique du Congo a fait un match nul contre la Zambie, un but partout. Alors, euh, quelle analyse peut-on faire euh, vu euh, à l'issue de cette première journée Eh bien, Rookie, c'est désormais connu de tous, il n'y a plus de petite équipe dans le football africain. La première journée de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en est la parfaite illustration, car beaucoup d'équipes se sont fait surprendre lors de leur première rencontre. En dehors de l'équilibre des matchs, nous assistons également à des rencontres similaires à la Coupe du Monde au Qatar, avec deux arrêts de jeu de plus de 5 minutes par mi-temps, ce qui amène le joueur à jouer souvent plus de 100 minutes. Merci Adam. Et pour finir rapidement, quel est le programme d'aujourd'hui À 15h, la Guinée équatoriale rencontre la Guinée-Bissau. Ensuite, à 18h, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, jouera son premier match test contre le Nigeria. Et enfin, le grand choc entre l'Égypte et les Black Stars du Ghana à 21h. C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour d'autres informations. Merci Adam. Fidèles auditeurs, on passe au portrait du jour. Et eh oui, euh, Sambo Hamidou, âgé de 56 ans, a commencé à travailler à la radio Farambokar de Gotei depuis les années 2000 avec un animateur de renom qu'il a pris sous son aile. Mais euh, un rêve que Sambo euh, n'a pas pu bien réaliser car il s'est brisé avec le décès de son mentor. Il a fait ses débuts en tant qu'animateur en langue fulfulde, mais aujourd'hui il exerce également le rôle de technicien malgré son handicap. Notre reporter Omar Hamas est en

o fuɗɗana gollal radio ilu nder hitande duɓujinaji ɗiɗi e ɗiɗi yaade wuddu radio niger fuɗɗirde e janngugol beɗi to burayma ali mo allah hinno yaafom laru makko haɗay mo heɓde yahdu yeeso nder golle radio hande sambo oni wattana yewtereji ko pindinol nimɓe duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e ɗiɗi tati avril kan woni ko adami toon e orten min suka malam ibrahima toon enden mi golli radio duuɓi sappo gaɗa ibrahima ali gaɗa duuɓi sappo ɗi jonka e min padda wi'a golle amin heƴƴi wallahi illa mi suka miɗo janga qur'ana ko miɗo nana ibrahima alina yewtida e malam dodo en jamma aljumare min eɗum begni kam sanne jonka fa gattumi radio he yonki to jimi ibrahima ali fo miɗo ɓadoɗo miɗo takko ɗum fa allah waɗi o wi kam si miɗo wawi mi wara min goddida modibbo allah du waɗi jami min goddidi fa ibrahima ali yawti minamin gondi caɗale heppata e nder gollal fuu amma hannden ko o nimsitani nder golle makko ɗe woni jannde lekkol ko waɗay yeru no o famminiri duni no wontiri hannden ni haɗaymo heɓde yahdu yeeso nder ngal gollal ngal o yiɗi wallay golle radio ka saɗorma muɗum ni woni si a waɗay jannde annasara nde ɗum tan won saɗorma am to ndar yimi hannden rafi rafijande tuba koore nde tan mi sana ɗum wala fu saɗorma e radio wallahi mine eh. bandiraɓe am miɗen gondi miɗen gollida amma si a janga e guereji gon fay si muyɗa naata a natta simi jannguna tuba koore min ɗum ka saɗormaji am ɗuɗirtano ni mais si a janga e dole saɗormaji ma ɗuɗa alasan halidu mawɗo sud radio faran bukar gote o no mana sambo hamidu o sanne e no ɓe goni hen et on était ensemble depuis le 3 juin 2017, la création de la radio. Il a été recruté comme animateur en mais à la longue, euh, parce qu'au niveau de la radio, euh, tout le monde fait tout. Hein, parce que, et donc, euh, pour notre collaboration, vraiment, il n'y a pas de problème en symbiose, vraiment, pas de problème entre On peut dire que vraiment c'est lui qui est toujours en permanence euh, au niveau de la radio. Il est infatigable. Tout seulement son handicap, c'est seulement qu'il n'est pas lettré, quoi. C'est toujours, mais il a fait l'arabe. Si c'est en français, on l'explique, euh, il le transforme ça en, arabe, C'est un homme simple son travail, il a la volonté. Bako matawda e laru waɗayi faddude to gollal makko. Sambo Hamidu Odo imo eela fini Allah fuu o yesso, la yeeso de yade yesso, gollono wuddu radio gon nildude ɗum habaruji. Et euh, c'était euh, un portrait proposé par Omar Hamma. C'est le moment pour nous d'aller euh, pour notre dernière musique de la playlist. Mais euh, l'émission Le Niger sur Kalango se poursuivra. Avant de revenir pour le loti, je vous propose le titre Takim Pompon Faransa d'Abdou Tambalio.

in na taka yau da wannan gobe da waccan sa na taka ta kwaran kwasa ka yi kwazo ka yi karin nan uku karkacin ganshin ci ganshin rakacin ganshin ci ganshin bani baya ba ni gaba kaliki ba shi baya ba shi gaba bai ya zo in na Kim Pompe en j'ai bien prononcé. Eh oui. <laughs> de Abdou Tambalio, fidèles auditeurs, il est l'heure pour nous d'attaquer la rubrique Loti. Aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu pointent du doigt les risques de garder un puits ouvert dans une concession. C'est dans une discussion entre Rekia Arimi et toi, Samira. On écoute. Affairage, affairage, affairage, affairage. Attention, mais fais attention, reste là, ne bouge pas, hein. Mais où est-ce qu'elle est J'espère qu'elle n'est pas encore en train de dormir. Ramo Ramo Ramo Hé Allah Qui m'appelle comme ça à l'air là Habba ah Que fais-tu dans la chambre pendant que ton enfant est à l'arrière de la cour tout seul Il a manqué de peu de tomber dans le puits. Quoi Subhanallah Inna lillahi wa inna ilayhi Habibou Habibou, où est-il Arrête de crier, il est juste là. Oui, mon Dieu. Dieu merci. Oh. Dieu seul sait ce qui allait se passer si je n'avais pas intervenu à temps. Je l'ai trouvé près du puits. Il tentait de rattraper son ballon qu'il a jeté par-dessus. Il aurait pu tomber dedans, et vous n'en saurez rien. Mon Dieu, J'allais perdre mon bébé. Et comment est-ce que j'allais expliquer cela à son père Pour cette fois-ci, ça va. Il a eu de la chance. Mais Ramou, je n'arrive pas à comprendre comment peux-tu laisser un petit enfant comme Habibou jouer tout seul dans la cour alors que tu sais que le puits n'est pas fermé. C'est un danger permanent que vous avez là. Écoute ma copine, il était allongé juste à côté de moi, avant que le sommeil ne m'emporte. Nous faisons la sieste ensemble. D'ailleurs, si ce n'est pas aujourd'hui, il n'est jamais allé là-bas. Et en parlant depuis, chaque jour que Dieu fait, j'attire l'attention du boy de fermer le puits quand il finit d'arroser les plantes. Je n'en disconviens pas. Mais tu dois redoubler de vigilance et t'occuper personnellement de ce fameux puits, et bien fermer après chaque usage. D'ailleurs même, pourquoi garder un puits alors que vous êtes connecté au réseau de distribution d'eau hmm. C'est mon mari, Wallahi. Quand je lui parle de les supprimer, il avance qu'il a un projet de forage qu'il compte implanter sur le puits. C'est une bonne chose, mais avant demande-lui de consulter un spécialiste, car il y a des normes à respecter. Mais en attendant, essaie de protéger le puits mettre une grille ou une plaque de sécurité par-dessus pour protéger l'ouvrage et par la même occasion les enfants. En effet, il a déjà pris attache avec eux. Ah là, c'est bien. Mais tu dois tout de même bien surveiller le petit avant la finalisation du forage. T'inquiète, ma copine. J'y veillerai personnellement. D'ailleurs, regarde, j'ai même oublié ce qui m'a amené chez toi, tellement je suis emportée par la situation de cet enfant. Mais c'est normal, non hmm. Et eh, merci En tout cas, merci d'être là, ma chérie. passons à présent à la culture linguistique et justement, Ali Alignali est avec nous dans ce studio pour euh, nous parler euh, du mot dialogue en français en fulfulde. Bonjour Niali. Bonjour euh, Samira, bonjour Rukaya. Bonjour Niali. Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Bienvenue dans notre émission préférée Culture linguistique. Pour comprendre et être compris en société, nous avons besoin d'échanger, de dialoguer avec notre entourage. D'où le mot du jour d'aujourd'hui, dialogue, que nous allons expliquer en fulfulde. Bandrabe -hmm. bandiraɓe studio kalangu jam weti e modon. hande alkamisa min gari nantinde konngol faransire biyetegol dialogue der fulfulde miɗen mbiya duni fa hande ko der sigilaji amin bitidi kongol gol enden ni nantinama der faransire e ingilere dialogue konngol faransire gol enden ni kam woni joɗa haale joɗa haale to waɗe na to hiɗa waɗede du fuu kuybitol hakkilloji himɓe kam wona no tefe au gam gollude goɗɗum jama are nafu na heɓude mosola saɗornam gonɗan no haɓɓi ko e himɓe de himɓe kawrama joɗa haale na ɓe joɗo ɓe kalda iɗum e inditira ɗum batu joɗa haale joɗa haale no waɗe caka himɓe ɗiɗo du yimɓe ɗiɗo ɓe enden ni ƴewtino fi on ɓe bi'a na ɓe mbawi duni fa handen tefude nokkure to ɓe gara ɓe kawra de ɓe kawray du iɓe mbawi gaɗunodiri batakiji fa wakkati ɓe pamri na wakkati ɓe timmini golle ƴewtinaki keɓe kalfina bandiraɓe miccintinen duni fa handen ko batu joɗa haali no waɗi batu joɗa haali gudu ni de waɗama igu wallira himɓe pamra wallira enɗan soɗo caka himɓe wadda duni fa handen ko watta jonde lobbere heɓo caka jonde de enɗan tabbita balan fulfulde Merci Nelly. Alors, chers, chers auditeurs, auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. Écoutons à présent quelques messages que vous nous avez envoyés. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Sunana Musa Idi mai sauraron program in studio kalangu a nan garin mai nisorwa e, eh, lallai shiri na studio kalangu ya yi tasiri sosai a rayuwarmu ganin program ne wanda ya shahi fannoni na zamantakewa na yau da gobe e, kuma bisa wannan program insu mun karu da abubuwa da yawa e, zuwa ga labaran da suke watsa lokacin da ake yabu a lokaci za a ji labarin shi eh kuma gaskiya suna da tsari da yawa ya zamanto akwai sauƙi ga sauraren program insu musamman ma irin hulɗan da suka kulla da radiyoyi na cikin ƙananan hukumomi da kuma sabbin fasahohin zamani zuwa ga irin application insu wanda ake samu a bisa wayan hannu e, kuma akwai group ma na wanda suka bude wanda mutane sun yi a lambobin su wanda suna aiko musu irin labarun da suke yi to kenan irin masu sauraron nan a samo musu irin wani program nasu na musamman kaman matasa wanda za su yi kaman su faɗi ra'ayinsu a wa'ansu ɗan lokuta muna gani ana tsari da yawa amma yawanci abun sai mu gani bai iso nan kamar wajajen mu ba wani activision da ake muna gani ana yin fada a sama wannan insu muna gani an yi hiran da wa'ansu yan fada kaza yan fada to kenan muna so a nan irin kaman difa komai ne a rinka zuwa wannan abun mutane nan ma kenan ya zamanto su ba da ra'ayinsu. Vraiment, Imina na Belɗum Studio Kalangu na Sedda, saboda suka nan ni ɓe dokka habaruji ɗi dora e sukaɓe kuuɗe ɗe mbatta kenan to o woni fu nder lunguyel niger anani um heɓtoyimo hokki ra'ayi mako e dow ko kuuɗe ɗe watta gaskiya ɗum nder ittan ɗum yam harka puufe ndamma to goto mi nani suka ummake e hoore mum na gomnati nangani ɗum hano e hoore mum waɗi projet mum goɗɗum ɗum huwanta hoore muɗum ha ɓezza inare nde woni gaskiya mi nana belɗum majum sare amma to mi nani habaruji ɗe dokkata ko ina komin jippa mari ma anane dokkoyɗi mum en gaskiya ɗon nanimi belɗum majum sare ɓawa noon kenan sa ɗum dokken to goho tagu wala damare nanki radio kenan da kama i sati keɓa ɓe bittinoya habaruji ɗe mbaɗi ɗi mahimmanci mahimmanci e bitta habaruji jontitande kenan wittinaɗi tagu nanaɗi kenan to heɓa nani nder sati ɗi nana yo witte nantoɗi ni o ɗi hanjum ne ni shawara kando Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, fidèles auditeurs, c'est ici que nous allons prendre congé de vous de l'émission Le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Rukaito Draman et Samira Rouafi. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo, mais n'oubliez pas, c'est aussi la grande édition du soir avec le studio Kalangou à partir de 17h avec le journal en 5 langues et le forum du soir à partir de 18h15. Excellente journée à tous.